Fidèles auditeurs et téléspectateurs euh, des programmes de Studio Kalango, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro hebdomadaire du Forum euh, de la presse, l'émission qui réunit des confrères du paysage médiatique nigérien pour analyser des faits marquants de l'actualité de la semaine écoulée. Au menu du Forum de la presse de ce soir, d'abord la célébration de l'édition 2021 de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le lundi 3 mai dernier sous le thème L'information comme bien public. Ensuite, nous discuterons du début de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en région depuis le mardi 4 mai dernier. Enfin, nous terminerons avec euh, l'installation officielle des nouveaux élus locaux et municipaux issus des élections locales du 13 décembre 2020 dont le coup d'envoi avait été donné le 26 avril dernier par euh, le Premier ministre chef du gouvernement Uhumudu Mohamedou. Pour discuter de tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir euh, ce soir d'abord euh, Maïmoune Gado, elle est journaliste euh, indépendante. Garé Amadou, il est journaliste au quotidien La Nation. Et enfin, Hussein Issa, il est journaliste indépendant également. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Une fois de plus, euh, bienvenue à tous euh, dans ce numéro du Forum de la presse de ce vendredi 7 mai 2021 que nous débutons par la célébration de l'édition 2021 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Rappelons tout d'abord que cette Journée mondiale de la liberté de la presse trouve son origine dans la conférence de l'UNESCO organisée en Namibie en 1991, soit 30 ans aujourd'hui. Et le thème retenu pour la célébration de cette journée cette année est l'information comme bien public. Le thème euh, que nous avons mis donc en exergue dans le contexte nigérien, l'importance du droit à l'information prévu dans l'article 31 de la Constitution de la 7e République qui dispose que toute personne a le droit d'être informée et d'accéder à l'information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi un mot d'abord sur ce droit à l'information et sur la question de la liberté de la presse au Niger de façon générale. Gary Amadou du journal La Nation. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, euh, quand on regarde ce qui se passe sur le continent, dans d'autres pays, vraiment, on peut s'estimer heureux qu'au Niger, la liberté de la presse est vraiment effective. non seulement il y a une floraison de titres, euh, de journaux, de radio, de mm-hmm. de télévision, mais ensuite il y a une certaine liberté de ton dans le cadre du traitement de l'information qui fait que on peut dire que le Niger vraiment est un pays béni dans le domaine. Mm-hmm. Et du reste, je pense que le dernier euh, classement de Reporters sans frontières est venu confirmer euh, la place euh, de choix que le Niger occupe dans le domaine de la liberté de la presse, parce que le Niger est classé sur le plan continental parmi les dix pays. Je crois que le Niger doit être huitième sur le plan, 9e sur le plan continental. Et ce n'est pas un classement, c'est un classement extrêmement important sur 53 pays africains. 59e voilà. dans le classement. Voilà, dans le classement mondial. Vraiment, nous, en tant qu'hommes de médias, nous sommes extrêmement heureux de cette situation qui fait que euh, la presse s'épanouit au Niger. La presse, il y a une liberté de ton. Euh, la presse est critique, mais malgré tout, la presse vraiment est en train de, d'évoluer au Niger. Et je pense que euh, c'est à l'honneur du peuple nigérien d'avoir. Nous avons cependant perdu deux points par rapport à, l'année passée. Parce on que le classement de l'année passée, c'était 57e et actuellement nous sommes à 50. Oui, ça veut dire qu'il y, y a, des régressions. Mhm. Non, certainement que ces, régressions-là sont dues peut-être au, au, au, au judiciaire concernant certains hommes de médias, mm. notamment par exemple, je parle de euh, le directeur de, publication de l'événement Moussa Aksar, par exemple. Vous savez, c'est des trucs, c'est des, trucs qui rentrent dans le cadre de, Reporters sans frontières, mm. dans le cadre du classement de Reporters. Donc, les hommes de médias qui ont maille à partir avec la justice, ça fait, euh, fait, que dans un pays, quand on fait des classements, le pays perd des points. Merci à vous, Gary, Amadou. Hussein ça à votre niveau, il a parlé de liberté de temps. Vous convenez ben oui, tout ça existe. Effectivement, il y a une liberté de temps, il y a cette liberté et la possibilité de pouvoir créer des journaux. Parce que nous sommes sous le régime déclaratif. Pour faire un journal, on n'a pas besoin d'autorisation sur le mhm. système déclaratif. Mais il y a un certain nombre de problèmes quand même. Parce que l'information est un bien public. Ça, de tout a été un bien public. Mhm. Mais pour que ça le soit véritablement, il faut qu'on crée les conditions. Aujourd'hui, l'accès à l'information publique ce n'est pas tellement évident. Mhm. Il y a un texte qui a été consacré, mais malheureusement, jusqu'ici, on n'arrive pas à savoir. Il s'agit de l'ordonnance 2011 euh, voilà. portant ah, justement accès à l'information et aux documents administratifs. Ça entrave. Ça fait combien d'années que ce, document, depuis 2010, que ça existe jusqu'ici mhm. Par manque de décret d'application, ce document-là est là, dans mhm. les tiroirs. On ne sait à quoi ça sert finalement. Et moi, je pense que quand on pense que la liberté, et c'est important pour tout le monde. Quand on pense que la liberté était, ou du moins l'information était un bien public, on doit pouvoir créer, les pouvoirs publics doivent créer les conditions pour que effectivement le journaliste puisse accéder à cette information. Parce que quand vous regardez un peu, ne serait-ce que dans la sous-région, on a comme l'impression qu'on fait du surplace au Niger, contrairement à d'autres pays de la sous-région, où il y a un foisonnement. Ici au Niger, il y a combien de quotidiens privés Tout au plus deux. Vous allez au Bénin, vous allez au Burkina Faso, vous allez, comment vous dire, au Mali, un peu partout, quand même, la presse écrite. Ça, c'est au niveau de la presse écrite. quand on fait la comparaison par rapport, par exemple, à l'audiovisuel, on sent qu'on est en avance. mais, non, mais le problème aussi au niveau de l'audiovisuel. une quinzaine euh, D'accord, mais comment Mais comment mhm. Mais comment Parce que, d'accord, les promoteurs sont là, les gens ont investi de l'argent pour pouvoir mettre, mais comment Comment Dans quelles mhm. conditions les agents travaillent mhm. C'est ça aussi, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Vous savez qu'il faut améliorer, Mais il faut les, conditions les conditions de travail, c'est important. et, il faut sécuriser l'agent. Ce n'est mhm. pas, bon, à la moindre, peut-être un capital donné à l'agent dehors. Mhm. Vous considérez que ça, c'est un job <laughs> il faut, Tout ça fait partie. Moi, à mon sens, tout ça, parce que il faut, quand l'agent n'est pas sécurisé, du jour au lendemain, il sait mhm. qu'il peut se retrouver, parce que tout simplement, il a eu comment dire, une prise de bec avec euh, le, le, promoteur on considère qu'on n'a pas besoin de lui parce que tout simplement, il n'y a pas cette sécurité-là. Et mm. l'État doit s'investir pour qu'il en soit ainsi. Il faut donc euh, continuer à œuvrer dans le cadre de l'amélioration des conditions de, vie et de travail des journalistes. n'est pas seulement pour qu'ils puissent euh, mieux assurer... je veux prendre un exemple l'année dernière par rapport à, la, distribution du fonds d'aide, à la répartition du fonds d'aide. Mm-hmm. Ils sont allés sortir des critères qui n'existaient pas. Où on a fait. Alors, est-ce que ce n'est pas une façon encore d'étouffer mm-hmm les médias. Mhm. Déjà, c'est des gens qui sont là balbutiants. Voilà un fonds qui a été mis. Des gens vont venir s'asseoir pour dire c'est pas comme ça. On, ne va plus, on, met de nouveaux critères qui, n'ont rien à voir avec les critères contenus dans la loi mhm. pour dire voilà les médias qui méritent. La loi a été d'ailleurs revue à l'Assemblée nationale euh, justement par rapport à, ces réformes. Le fond, le, total, le fond, partout ailleurs, le fond, le fond a deux formes. Il y a la forme directe, la forme indirecte. Mhm. On ne peut pas systématiquement dire que c'est de manière indirecte. Mhm. Partout ailleurs dans le monde, il y a la forme directe, l'appui direct. On te donne les moyens pour que tu puisses renforcer tes capacités. Les appuis indirects, c'est quoi c'est au niveau des téléphones, Internet et tout et tout, on vous fait des facilités en tant que média que, au lieu que la facture que vous payez, ce n'est pas la même chose que le, voilà un peu. Mais pas pour acheter des caméras. Non, non, les fonds, on vous donne pour acheter des caméras pour renforcer les capacités de production. Mhm. Mais la, forme indirecte, c'est-à-dire ici, c'est le coût. C'est pas l'État d'acheter. Non, c'est pas. Ça, on crée les conditions pour que mhm. quand un média, par exemple, un téléphone fixe, euh, la, tarification ne va pas être la tarification ordinaire comme, euh, comme, dire, les, privés. Mhm, mhm. parce que c'est un travail public. De service public. service public. Voilà, c'est ça la forme indirecte mhm, d'aide. On crée les conditions pour que, par exemple, l'Internet ne soit pas cher pour les médias, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Les gens pensent que la forme indirecte, c'est aller acheter du matériel pour venir donner. Non, ça c'est une forme directe, mais ce n'est pas à des gens de s'asseoir pour dire, voilà, c'est nous qui savons ce dont il y a besoin. Faites-nous des proportions. On peut, il y a le contrôle après, mais mm. malheureusement, on a tendance, même ça, qui a fonctionné pendant quelques années, on a tendance à, perdre cet acquis-là. Merci à vous, Hussein Issa. Maïmoun Diado, quelle euh, analyse faites-vous de la situation actuelle, justement des journalistes euh, nigériens en ce moment où nous célébrons l'édition 2021 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ok. Donc, euh, il faut d'abord euh, se réjouir du classement du Niger. 59e mhm. euh, place, 10e ou 9e. au niveau continental. Au niveau, continental. Mhm. Donc, c'est vrai, il faut se réjouir, mais il faut également espérer l'année prochaine améliorer les choses. Mhm. Et parler donc des journalistes, les autres confrères l'ont déjà dit il faut sécuriser ces journalistes, il faut mhm. d'abord les former, parce qu'il ne s'agit pas de créer aussi des médias. Ça a été prévu euh, normalement dans, les réformes dans les réformes du, fonds euh, d'aide à la presse, Il mhm. qu'il y aura une partie de ce fonds qui destinée à, à, la formation ou au renforcement euh, des, hommes de médias, mhm. Donc il y a également la sécurisation, comme l'a dit Ousseini, il faut sécuriser ces journalistes, parce qu'on ne peut pas se lever un bon matin et puis parce qu'on est promoteur et puis mettre à la porte un journaliste. Euh, qui a peut-être plusieurs années d'expérience, mhm. euh, qui, a, quand même collaboré et mhm. qui a, pendant des années dans On voit même lorsque certains tombent malades, ils ont beaucoup de difficultés. ils ont beaucoup de difficultés parce qu'ils mhm. n'ont pas de prise en charge, ils n'ont rien. Ils sont laissés abandonnés et par suite on te libère. Mm. on te libère. Parce que tout simplement, ce n'est pas un souci pour un promoteur aujourd'hui mm. de perdre son temps derrière un journaliste qui est mm. souffrant ou bien un journaliste qui n'est pas sécurisé. Donc, c'est là le problème. Le problème, c'est quoi Il faut également qu'il y ait un éveil de conscience au niveau donc, des hommes de médias. Il faut que les journalistes que nous sommes, nous arrivons aujourd'hui à, se demander qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que réellement qu'est-ce que nous cherchons dans ce métier. Mhm. parce Parce qu'il faut avoir des plans de futur. Et quand tu n'as pas de plan de futur, euh, ça ne peut pas aller. Mhm. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il faut que le droit, ça s'arrache. Mhm. On ne peut pas rester et attendre le droit facilement. Qu'est-ce qu'il faut faire justement eh pour arriver à arracher il, y a la question, par exemple, de la convention collective. La convention collective, c'est parce que tout simplement, les hommes de médias, nous ne bougeons pas. Il y a des syndicats qui ne bougent pas. Aujourd'hui, il faut qu'on soit euh, vraiment coude à coude pour pouvoir euh, arracher ce droit-là qui est la convention collective euh, des, médias. Mmh. Parce que tout simplement, la facilité que les hommes de médias, les promoteurs ont aujourd'hui, c'est que après la signature de cette convention, ça va retourner sur ces hommes, de, sur, ces promoteurs. Mmh. Et donc, ça sera un problème. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que le journaliste sera sécurisé et le journaliste aura ses droits. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement ça que a un coût. Ça a un coût énorme mmh. pour euh, l'entreprise. Mmh. Et toute entreprise qui ne peut pas avoir, euh, euh, qui n'a pas suffisamment de moyens, ne peut pas aujourd'hui espérer mhm. et être content aujourd'hui d'aller vers une signature de cette convention collective. C'est pour cela que ça traîne et c'est pour cela que les promoteurs demandent également au niveau du CSC mhm. qu'il faut la signature de la loi sur la publicité. Mhm. Parce qu'ils pensent que c'est avec cette signature de la loi sur la publicité, ça peut vraiment les aider. Il y a eu déjà la loi sur la publicité, il faut voir peut-être les aspects pour qu'elle soit, oh oui, mise, pour qu'elle soit mise en œuvre. c'est ça. Mais quand c'est pas mise en œuvre, c'est un problème. Il faut pas. Oui, on ne peut pas signer et puis laisser ça euh, dans un tiroir quand même. Mhm. Donc, il faut euh, vraiment essayer de revoir tous ces contours-là pour permettre que vraiment, euh, aujourd'hui, au Niger, que ces journalistes puissent éventuellement faire leur travail de journaliste mhm. Donc, c'est également à nous autres journalistes mhm. de vraiment faire en sorte que on est aujourd'hui, concret crée les conditions pour avoir aujourd'hui l'information, la bonne information. Et quand je dis la bonne information, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde se permet d'être journaliste mhm. aujourd'hui. Il faut un journaliste responsable mhm. et il faut assainir ce métier. Donc, c'est vraiment ce que mhm. je voudrais dire. Merci. Rappelons que dans une euh, déclaration rendue publique à l'occasion de cette euh, édition 2021 de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la Maison de la presse a demandé un plan d'appui aux médias pour leur permettre euh, de survivre. On suit un extrait de cette euh, déclaration. Elle est lue par le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse, Ibrahim Harouna. L'édition 2021 de la Journée mondiale de la liberté de la presse mettra également en évidence trois impératifs pour cet écosystème. Des mesures pour assurer la viabilité économique des médias d'information, des mécanismes pour assurer la transparence des sociétés de l'Internet le renforcement de l'éducation aux médias et à l'information. Les multiples actions menées par la maison de la presse doivent être soutenues par les nouvelles autorités avec un engagement clair en faveur de la liberté de la presse et la liberté d'expression. Le bureau du conseil d'administration de la maison de la presse s'inquiète face aux menaces de fermeture de certains organes de presse, voire la disparition de plusieurs autres. C'est le lieu de lancer un appel pressant au gouvernement pour la mise en place immédiate d'un plan d'appui financier conséquent aux médias. Cet appel va également à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans le processus de la signature de la convention collective de s'engager. Amadou, quelle réaction par rapport à ces propositions de la maison de la presse Oui, ce sont des propositions assez, assez, assez intéressantes. Mais déjà, moi, je vois, je vois qu'il y a le fondé de la presse. Le problème avec le fondé de la presse, c'est que les critères, excusez-moi de le dire, mais les critères sont assez difficiles. Mhm. Le, le fondé de la presse, le but, c'est d'aider la presse à s'épanouir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, pour moi, les deux seuls critères qui sont pour la presse écrite, par exemple, qui doivent être pris en compte, c'est la régularité et, la régularité fiscale. Mmh. Quand un journal a euh, la, régularité fiscale et qu'il est régulier, on doit lui donner le fonds d'aide. Les télés et les radios, à partir du moment où elles émettent, toutes les radios, toutes les télés ont droit au fond d'aide. Mmh. Toutes. C'est-à-dire qu'il ne faut plus rentrer dans les trucs de détails Pour disqualifier Ça n'a aucun sens. Comme ils disent qu'une télé n'a pas le fond d'aide, une autre, une autre en a. Pourquoi vous savez les difficultés dans lesquelles les télés la vivent mhm. Les difficultés même pour, assurer les salaires pour payer. Donc, il faut les aider. Et c'est pourquoi, moi, la proposition du président de la maison de la presse, moi, ce que je voudrais, c'est que pour que cette proposition-là soit concrétisée, il faut que le CSC puisse revoir les critères d'attribution du fonds de la presse. Mhm. Je dit, bien, la régularité, l'émission, pour les radios et les télévisions, ce sont les critères les plus importants pour pouvoir donner, eh, eh, eh, en, tout, cas, ce fonds d'aide-là. Parce que ce fonds d'aide-là, quand les télés et les radios et les journaux vont les avoir, ils vont acheter du matériel, ils vont mm. continuer à se, et ils vont se régulariser. Mais déjà, on met, euh, comment on appelle ça euh, on, dit non, non, la régularité pour les, pour les, pour les, journaux, n'est-ce pas mm. et, on dit, il faut euh, être régulier au niveau de la, de, la fiscalité. Mm. Non, on dit, il faut immatriculer les journalistes à la caisse. Il faut faire ceci. Mais pour immatriculer les journalistes à la caisse, il faut déjà leur donner un salaire. Truc, et, et c'est difficile pour les, pour les organes de presse. C'est-à-dire c'est compliqué. Mhm. Donc le CSC doit, revoir, doit pour moi revoir les critères là pour que le, fonds d'aide soit accessible à tous les médias. Gary, en dehors même, euh, on vous a bien compris, mais en dehors du fonds d'aide à la presse, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens ou d'autres stratégies pour renforcer euh, le justement Non, le moyen c'est l'enveloppe là du fonds d'aide là. Mhm. Parce que l'enveloppe ne fait que 200 millions de francs. Mais c'est là où j'en viens. Il faut, il faut. c'est un aspect, c'est un aspect parmi tant d'autres. Pour moi, mhm. un milliard attribué à la presse chaque année n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Mhm. Pour moi, le fonds d'aide, là, il peut aller à un milliard. Mhm. Pour que tout le monde puisse avoir et que tout le monde puisse commencer à s'épanouir. Parce que le travail que les journalistes font là, mhm. c'est un travail d'intérêt public. Bien sûr. L'information. Et donc, moi, je pense que les 200 millions là, franchement, c'est dérisoire. L'État doit revoir sa copie pour augmenter ce fonds d'aide là, pour permettre à ceux que le plus grand nombre puisse en avoir. Et surtout, j'ai dit, évitez de nous mettre des critères euh, euh, vraiment qui, qui, qui, qui alourdissent le processus et qui écartent d'autres personnes. Non tout le monde a un principe droit. En dehors de ça, il y a aussi la question de la loi portant sur euh, la dépénalisation qui a été adoptée en 2019. Ça a été d'ailleurs dit dans le rapport de Reporters sans frontières qui estime qu'il arrive que les autorités ou disons la justice euh, n'appliquent pas la loi que nous avons portant régime euh, de la liberté de la presse qui est l'ordonnance qui date de 2010 et il arrive donc qu'on applique aux journalistes nigériens soit le code pénal ou la loi sur la cybercriminalité. tout cela quand mais c'est ça, en fait. Tout ça, tout ça, c'est un combat. Mais, mais je mhm. pense qu'il faut, il faudrait d'abord qu'on puisse mettre en adéquation tous les mhm. textes, parce qu'au niveau du code pénal là, il y a des dispositions qui sont pénalisantes par rapport à certaines peines. Mhm. Et tant qu'on ne, on, on, n'harmonise pas la loi sur la dépénalisation avec le code pénal, tant qu'on n'harmonise pas, eh bien le juge celui qui a le code pénal devant lui, quand il voit une infraction, il voit un citoyen qui commet une infraction. Voilà le problème. Voilà le problème. Et donc, même si la loi sur la dépénalisation existe, dans le code pénal, il y a des dispositions qui, qui ne sont pas en tout cas harmonisés avec la loi de la dépendance, qui fait qu'il y a des marges de manœuvre mhm. pour euh, le, juge d'inculper un journaliste. C'est un combat qu'on doit faire pour l'harmonisation des textes. Et je pense que euh, tous les confrères sont interpellés et l'État aussi doit y mettre du sien pour qu'on puisse arriver à des résultats qui puissent faire en sorte qu'un journaliste il ne doit en aucun cas aller en prison. Merci, on vous a bien compris. Donc, il faut donc mener le combat, comme vous l'avez dit. Nous allons accélérer pour aborder les autres sujets de ce forum. Nissa, selon vous, que faire pour réussir à améliorer l'image de la presse nigérienne et lui permettre d'être plus crédible face à, tous les défis de l'heure au Niger Comment faire Que faire Avec quoi Avec quel partenaire Tout ça. Mm c'est la précarité totale. Mhm. Les gens et il y en a qui viennent parce qu'ils n'ont rien à faire. Après, au bout d'un certain temps, s'ils trouvent euh, une porte de sortie, ils s'en vont. Mhm. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont la du travail. Ils viennent, c'est momentanément, je suis là, le temps que je trouve autre chose à faire. Mhm. La seule façon de faire, moi je dis, d'accord, il faut renforcer le front d'aide, mais il faut trouver aussi d'autres mécanismes. Par rapport à l'accès à l'information Donc vous pensez que ça a un, impact sur l'indépendance des journalistes Oui, mais ça a l'indépendance. Mais attends, quand on est dans la précarité, tu n'es pas indépendant, s'il te plaît. Il faut trouver à manger d'abord. Tu viens, tu n'es pas sûr. Il faut aller à un séminaire ou à un machin, une couverture, on te donne 5 000. C'est avec ça que tu vas te débrouiller, s'il te plaît. Ailleurs, allez-y voir. Ailleurs, un journaliste, quand vous le voyez, tu es obligé de respecter. Même les les, hommes politiques, quand ils voient les journalistes, ils sont obligés de les respecter. Parce qu'ils savent, ils savent c'est qui. Ils savent c'est qui, que c'est quelqu'un qui peut détruire ma carrière. Mais ici, c'est quoi C'est le journaliste qui court après. Qu'est-ce qui fait ça C'est la précarité. Le gars, tu as un baptême, il faut aller voir, je vais aller voir un tel. Pour Alors que tu travailles dans une rédaction, tu, dois ah, normalement être sécurisé de ce point de vue mm. pour que au moins on Merci. On vous, on vous a bien compris. Honnêtement, il faut, ah, on parle de tout sauf de l'essentiel. Ah, Moi, je vais insister là-dessus. C'est bien compris. Il faut améliorer. Un mot, oui, Maïmoune Gado, un mot. Je voudrais juste. En quelques secondes. Je voudrais juste euh, rappeler, euh, peut-être à Gary, se demander d'abord pourquoi le CSC a révisé la loi mhm. par rapport justement au fonds d'aide. Parce qu'il y a des télés, des médias qui ont eu l'occasion d'avoir le fond d'aide, qui ont eu le fond d'aide pendant plusieurs années, mhm. mais qui n'a rien servi. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que les bénéficiaires de ce fonds d'aide, mm-hmm. c'est les promoteurs, c'est les promoteurs en fait qui jouissent, qui jouissent mm-hmm. de ce fonds d'aide. et les journalistes qui font le travail mm-hmm. à la fin ne se retrouvent avec rien. Il n'y a pas d'amélioration de leurs conditions de, ça, vie, le CSA avait prévu la question de la formation voilà, Parce que nous avons vu certains promoteurs aujourd'hui quand ils prennent le fonds d'aide à la presse, ils se disent que c'est pour eux, c'est pour eux et c'est pour euh, Il faut donc revoir tout cela. Nous passons, nous passons au deuxième sujet. Merci Gado. Nous passons au deuxième sujet de ce forum euh, de la presse. Euh, il s'agit du début de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au niveau des autres régions du pays depuis le mardi 4 mai dernier. Avez-vous une idée euh, sur euh, comment ces vaccinations se passent à l'intérieur du pays, les vaccins disponibles, la manière dont les populations apprécient cette initiative Gary Amoudou Vraiment, je, n'ai pas d'informations. j'ai vu le ministre de la Santé, euh, il s'est fait vacciner. J'ai vu. mais apparemment, ce que j'ai constaté, mm-hmm. <laughs> les gens ne se bousculent pas hein, mm-hmm. pour la vaccination là. Bon, avec tout ce qu'il y a eu comme scandale en Europe, AstraZeneca, les mm-hmm. effets secondaires, bah, Bon, finalement. Finalement, ça a été homologué, AstraZeneca. Hein, oui, mais, oui, mais, mais entre-temps, la, peur, entre euh, la peur s'est installée. Mhm. Mais je pense que ces vaccins-là sont quand même. Le, la, en tout cas, le meilleur moyen pour pouvoir se, se, se On va aller se faire vacciner, c'est mhm. sûr. Euh, mais euh, on va un peu traîner les pieds. Mhm. on va, c'est-à-dire que quand, quand les gens vont, je je sais pas, quand on va être complètement fixé sur l'absence du risque, je pense qu'on peut, peut, on peut, on peut se, présenter au niveau du centre mhm. pour faire les vaccins. Et ensuite, c'est plusieurs doses en plus. Donc, vous voyez, c'est. deux doses. C'est deux doses, oui. Mhm. Euh, voilà. Mais, mais franchement, le, sentiment général, mhm. c'est que les gens sont méfiants. alors, pour que les gens ne soient pas méfiants, c'est vraiment une campagne de communication, tous azimuts, qui doit être déployée par le ministère de la Santé pour ramener pour montrer que les vaccins là qui sont au Niger, mhm. quels sont les vaccins qui sont au Niger et quels sont leurs taux d'efficacité. Et sur le plan mondial, voilà ce qu'on, quand on les a testés, voilà ce que ça a donné. Il n'y a pas d'effets secondaires, les effets secondaires sont. Ça, c'est, toute une communication. Mhm. Ce qu'on ne voit pas pour le moment, la communication, elle est pratiquement inexistante, à part le fait que le ministre de la Santé s'est fait vacciner et il a fait un discours, effectivement, pour inciter les gens à se, faire vacciner. Vraiment, euh, pour le moment, j'ai dit, le sentiment général, c'est la méfiance. La méfiance. Hussein euh, ça? qu'est-ce qu'il faut alors euh, pour euh, qu'on arrive à avoir des résultats satisfaisants et qu'on finisse avec euh, cette méfiance justement qu'ont certaines personnes. Bon, on dit que ça a commencé la campagne. Jusqu'ici, moi, je ne sais même pas c'est où on fait. Il y a des centres à Niamey, il y a par exemple à la maternité, non, voilà, voilà. à l'hôpital de voilà, non, attendez. Voilà, c'est ça le problème. Mhm. Il y n'y a pas de communication si c'est des vivres qui sont distribués, les gens seront... sauront. Non, mais <laughs> alors, même quand c'est la méningite qui arrive, on dit. non, même quand c'est la quand ça arrive, les gens, tout le monde a mhm. Ici, voilà, on dit les gens sont en train de se vacciner. Que maintenant, ça a même commencé à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on a communiqué autour de ça Est-ce qu'on a dit aux gens, quand vous allez partir là, c'est gratuit parce qu'aujourd'hui, le seul fait de ne pas dire aux gens que c'est gratuit, si vous arrivez, il y a beaucoup de gens qui vont être réticents. Mhm. Parce qu'ils vont se dire, si je vais aller, on me demande, de l'argent, où est-ce que je vais trouver l'argent mhm. Tout ça, là, il faut communiquer quand on veut avoir le maximum de gens. Mhm. pourquoi deux Tout ça, là, on ne parle pas. On dit, il faut se faire vacciner pour. Avant, quand c'était la bavette, si tu ne portes pas bavette, on a même mis machin sanction ou comment, ou comment on appelle ça Il y a eu un décret. Décret portant sanction pour les bavettes. C'est allé où Mhm. Ça allait où il faut, il faut, On ne sait pas faire les choses, nous. Mhm. Pour amener les gens, inciter les gens à aller se faire vacciner massivement. Il faut trouver des sites, même dans les quartiers, où on mhm. peut venir. On dit de tel jour à tel jour, c'est dans tel quartier. Ah on va toucher le maximum des gens. S'il Il a parlé de la question de la gratuité. Est-ce que vous pensez que c'est un aspect euh, qu'il faut prendre en compte euh, Vous pensez, vous, Maïmoun Diado, que la population ne sait pas que la vaccination est gratuite je me dis que dans toutes les communications, en tout mm. cas du ministre de la Santé, il l'a toujours dit que, c'est gratuit, mhm. que la vaccination elle est gratuite. Mhm. mais je ne sais pas, mais peut-être autour de ça, comme ils l'ont dit, il faut une communication, mhm. une grande communication, parce que comme nous nous sommes au Niger et nous savons que y a plus il y a plus de euh, d'analphabètes, en tout cas euh, au Niger. Donc il faut essayer d'amener ces, hommes, ces femmes, ces jeunes à comprendre l'efficacité d'abord euh, du vaccin et ensuite comme ils l'ont dit les nombres de doses, en tout cas les deux doses. Pourquoi deux Et également, il faut d'abord faire en sorte que les Nigériens sachent que réellement le coronavirus existe. Mmh. Parce que jusque-là, il y a ceux qui se méfient, mmh. qui continuent à dire que ça n'existe pas. Mmh. C'est quelque chose qui a été inventé par l'Occident. Donc, ou que certains sont euh, immunisés alors que ce n'est pas scientifiquement et, voilà. Et, et, les Nigériens se disent qu'aujourd'hui, on a le soleil, Mhm. Nous avons la chaleur. Donc, c'est quelque chose vraiment, un virus que vraiment que nous, on est épargné. Il faut rappeler qu'il y a des avantages euh, par rapport à cette vaccination pour les voyages. Il y a aussi la question des pèlerins. C'est important de le rappeler. L'année passée, il n'y a pas eu de Hajj. Cette, année, il y aura un Hajj, mais il y a des nouvelles mesures qui ont été imposées par les autorités oh saoudiennes. Oh et parmi ces mesures, il y a justement la question de la vaccination. De la vaccination. Mhm. Mais maintenant, c'est ce que nous sommes en train de dire. On est tous d'accord qu'il mhm. faut la communication sans la communication, vraiment, euh, on, passe, on risquerait de passer à côté. Et, et ensuite, euh, c'est bon, j'ai vu le lancement dans les autres régions. C'est vrai, les échos nous, parviennent un peu, un peu, que euh, voilà, les gens se font vacciner. Mais se font vacciner comment mhm. Parce qu'aujourd'hui, les gens attendent plus les autorités voir les autorités se faire vacciner, d'abord pour aller se faire vacciner. La Parce semaine que passée, disons, le ministre cette semaine qui s'achève, on a vu les représentants quand même euh, de beaucoup d'institutions onisiennes. Oh, nous avons la chef de la délégation de l'Union européenne. Michel, on nous sommes au Niger. Toutes ces personnes se sont fait vacciner. parle des autorités nigériennes. <laughs> Mhm. On parle des autorités nigériennes, euh, Michel. Mhm. Donc, il faut revenir à ces autorités nigériennes. On quand parlé je parle des autorités nigériennes, aujourd'hui, dans mhm. les régions, les gouverneurs doivent montrer oui, oui, donner l'exemple au niveau local. Les préfets doivent donner l'exemple. Les nouveaux maires. doivent donner l'exemple. Mhm. C'est des choses comme ça qui oh. rentrent dans la communication. Et c'est encore plus facile d'être plus proche de la mhm. population et de leur montrer que moi, je me suis vacciné, pourquoi pas toi mhm. Parce que là, je me vois que <laughs> je me suis vacciné, tu m'as vu. Abordons le troisième sujet de ce forum de la presse du studio Kalangou. Il s'agit de l'installation officielle des nouveaux élus locaux et municipaux issus des élections locales du 13 décembre 2020 dont le coup d'envoi avait été donné le 26 avril dernier par le premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mohamedou. Ces élus sont, faut-il le rappeler, issus des élections locales et municipales du 13 décembre 2020, on l'a dit. Quelles sont les dernières nouvelles par rapport à cette installation des élus municipaux et régionaux Maïmoun euh, Les dernières nouvelles, c'est que déjà les cinq maires sont déjà connus à Niamey. Mhm. Euh, ils ont été installés mhm. par euh, le président donc, euh, de la ville de Niamey. Le maire central. Le, maire central de la ville de Niamey, Mordogari. Mhm. Donc, c'est vraiment à féliciter parce que du lancement et de l'installation, ça n'a pas pris du temps. Ça veut dire que on regarde comment les choses se sont passées. C'est des élections libres et qui, qui ont posé leur choix sur vraiment ces maires qui ont été élus. Maintenant, ce qu'il faut essayer de dire, d'attirer leur attention, c'est qu'aujourd'hui, il faut mettre la politique de côté et travailler pour cette population. Mhm. Quand je dis mettre la politique de côté, ça veut dire que nous avons la politique derrière nous, mais maintenant vous êtes installé en tant que maire, c'est pour pouvoir travailler, mhm. être à côté de ces personnes, de ces populations. Dans le cadre de, la, décentralisation. dans le cadre de la décentralisation. Mhm. Faire en sorte euh, de, de, travailler pour le bien-être de cette population. Merci beaucoup. Quels sont les défis qui se posent à ces nouvelles euh, autorités municipales euh, et régionales ou CNISA bon, mais Vous savez, la décentralisation suppose quoi C'est de délocaliser, amener, comment dirais l'autorité à côté des citoyens. Mhm. C'est-à-dire, c'est la proximité. Moi, je peux voir mon conseiller, en tout cas, mon, mon, celui que j'ai élu comme conseiller, mhm. je peux l'interpeller par rapport à une situation donnée. Mais à quoi avons-nous assisté depuis que, en tout cas, nous sommes dans cette expérience C'est qu'on n'a pas l'impression qu'on donne de l'importance à ces conseils-là. Je m'explique. C'est-à-dire, c'est bien vrai, immobilier des ressources au niveau local. Mais le plus souvent, c'est centralisé. Mm-hmm. Au niveau de la mairie. Voilà, mais alors, ça dit qu'ils n'ont pas les mains, en tout cas, les mains libres pour pouvoir agir. Mm-hmm. Alors que partout ailleurs, là où ça marche bien, c'est que au niveau des maires, en tout cas oui, il y a un certain nombre de choses qu'ils doivent faire au, nom de la population. Ce n'est pas le niveau central qui va décider de ce qu'il y a à faire. Parce que le niveau central n'est pas à côté des populations. Par exemple, ici, je prends l'exemple de Niamey. Il y a mhm. cinq arrondissements, je mhm. crois. Dans chaque arrondissement, les populations connaissent qui sont les personnes qui sont élues. Mhm. Quand ils ont des difficultés, quand ils ont des problèmes, c'est ces personnes-là qui sont visées. Ce n'est pas au niveau de la mairie Normalement, c'est à ces personnes d'agir. Voilà, mais il faut alors créer les conditions pour que ces entités-là puissent disposer d'un minimum de ressources mhm. pour pouvoir satisfaire les besoins et les préoccupations, euh, machin, en tout cas basiques mhm. des populations qui, des populations qui ont voté. Merci euh, si Ce cas, il faut préciser, c'est vrai, à Niamey, nous avons un conseil de ville euh, qui englobe les cinq euh, arrondissements communaux, mais les défis de façon générale pour les mairies, nous avons des mairies qui sont isolées, nous avons des mairies où il n'y a pas, la question, le cas. Mais alors, mais parce que tout simplement, on n'a pas voulu créer les conditions. C'est bien vrai, on, on a mis en place le mécanisme là, mais on ne donne pas beaucoup d'importance, moi, c'est ça que j'ai dit. On ne donne pas d'importance au travail de ces conseils-là. Mhm. Je n'ai pas l'impression qu'on considère que c'est des entités où des décisions doivent être prises, que des décisions qui doivent être appliquées. Mhm. J'ai comme l'impression que c'est juste une façon de dire, bon, vous avez des autorités à côté de vous, vous avez des problèmes, vous pouvez exposer vos problèmes. Mais du point de vue de la mise en œuvre des problèmes, des, des, des, des préoccupations, on ne sent pas tellement les, les conseils euh, locaux. On ne sent, on sent pas tellement. Pendant que, mhm. souvent, on constate après, sur le tard, qu'il y a des détournements parce que le maire et, le, son adjoint se sont mis de côté, ils prennent tout ce qu'ils grappillent, tout ce qu'ils ils, vendent. Ils... On, a, constaté ça, disons, pendant les périodes de prorogation, parce que justement, il faut rappeler qu'il n'y a pas eu d'élection municipale euh, et locale euh, depuis 2016. Euh, on a attendu justement parce qu'il fallait. Mais, même les délégués spéciaux, les délégations spéciales, quand ils sont arrivés, ils ont fait la même chose, non mhm. Mhm. à ce niveau, ils ont même les mains karma libres. Ils n'étaient pas tellement liés, ils avaient les mains libres. Alors que normalement. Quels sont les souhaits qu'il faut formuler alors à ces nouvelles autorités Gary Amadou, nous savons qu'il y a euh, la question aussi de transfert des compétences qu'on a constaté au niveau de l'éducation, de la santé, on constate que l'État a quand même euh, cette intention de donner du pouvoir à ses autorités. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut leur souhaiter Je sais qu'au niveau des mairies, au niveau des mairies, il y a, y a, un représentant, il y a un, comment on appelle ça, un directeur de l'éducation, un truc comme ça, mhm. au niveau de chaque mairie qui s'occupe de l'éducation vraiment de, de, toute la commune. Maintenant, bon, il faut voir comment, quel est, quel est son pouvoir. Mhm. Est-ce qu'il peut agir euh, quel est son pouvoir avec euh, le, directeur régional de l'éducation Quelles sont les relations mhm. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut définir. Mais moi, ce que je voudrais dire, mhm. euh, j'ai vu pour les, installations des maires, dès qu'on installe un maire, on, on, enfin, oui, oui, le maire. De, cette localité est PNDS, le maire de cette cité est, Lumana. Mhm. Voilà. Et les gens sont contents. Ah oui, Lumana a remporté ici, le PNDS a rencontré, le a. Non. C'est ah. cet aspect que les gens voient souvent. Il faut... Quand on est maire, quand on est élu maire, c'est fini, les colorations Comme l'a dit non, parce que les gens ne comprennent pas. Mhm. Il y a ceux qui ont voté pour toi, tu, es élu maire au titre du PNDS ou de Lumana. Mhm. n'est-ce pas Mais il y a des citoyens qui ont voté, qui n'ont pas, voté, pour, qui pas voté pour toi. Justement. Oui, et qui n'ont pas voté pour toi. Eh bien, tu es le maire aussi de ces gens-là qui n'ont pas voté. Il faut donc changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Quel souhait pour ces nouvelles autorités garées Vraiment travailler mhm. pour le bonheur de la communauté. Travailler pour le bonheur de la communauté. Et faire en sorte que les conseils municipaux puissent vraiment travailler, en tout cas dans les règles de l'art. Mhm. Que les conseillers ne se focalisent pas sur les questions de parcelles parce qu'on a l'impression qu'on veut être conseiller pour avoir des parcelles à distribuer et puis ou à, ou à vendre. Après. Non, c'est d'abord le bien de la communauté. Et j'ai dit toute la communauté. Aussi bien ceux qui ont voté pour toi mm-hmm. que ceux qui n'ont pas voté pour toi. Tu as le devoir de, la, les servir. Tu n'es pas là pour servir les militants de ton parti. Tu es là pour servir la communauté. Et dans la communauté, là, il y a tout. Il y a ceux qui t'ont voté et il y a ceux qui ne t'ont pas voté. La responsabilité de ces nouveaux élus est donc euh, interpellée. Avant de clore ce forum euh, de la presse, euh, nous allons effleurer cette question des attaques qui sont récurrentes et que nous constatons. La dernière en date, euh, c'est celle euh, du mardi 4 mai 2021. Le communiqué du ministère en charge de la Défense nationale dit qu'il s'agissait euh, des environs de 16 heures, une position de l'opération Al-Mahou, qui est dans le nord de la région de Tilaberi, qui a fait l'objet d'une attaque à Ntoussa. Une attaque menée par des groupes armés terroristes lourdement armés et à bord de plusieurs motos après de violents combats ayant permis d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi. Ce dernier a été contraint de se replier vers le nord en emportant plusieurs corps de terroristes abattus. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone d'opération. Le bilan provisoire dressé par le ministère de la Défense nationale, c'est côté ami 15 militaires décédés, 4 blessés, 3 véhicules détruits. Côté ennemi, plusieurs terroristes neutralisés et du matériel euh, détruit. C'est donc le bilan officiel dressé par le gouvernement à travers le ministère de la Défense nationale. Il faut rappeler que pratiquement la même semaine, nous avons connu une autre attaque dans la région de Savoie. c'était Atilia, plus précisément, où il y a eu également 16 morts. Garé euh, Amadou, un mot rapidement par rapport à ces attaques. Oui, c'est que moi, je, suis, je suis consterné par... Euh, j'ai l'impression que les terroristes ont beaucoup de facilité mhm. à commettre leurs attaques. L'attaque de Intoussa, là, 14 heures. En pleine journée. 14 hein. heures. Mhm. L'attaque. Et encore, une attaque contre une opération militaire. Al-Mahaw. C'est-à-dire, mhm. eh, vraiment, je ne comprends plus rien, Michel. Je ne comprends Et, et, je m'inquiète parce que je me pose des questions. J'ai dit, on est en train de faire une guerre classique contre des gens alors que c'est une guerre asymétrique. Des gens qui, sont, qui viennent à moto, on veut les poursuivre avec des véhicules. Mhm. C'est dépassé Alors ça. Alors qu'il n'y a pas de goudron souvent dans ces zones. Mais, et... puis ils mettent des mines. mais ils mettent des mines. Mais quand ils, mettent des mines. Mais donc, c'est quoi le meilleur moyen que souvent, On, a, l'impression qu'ils connaissent mieux ces zones, les terroristes. Non, c'est même pas une question de connaître. Cette guerre-là, mhm. si on ne met pas les moyens aériens, eh bien, on l'a perdue. Ça me fait du mal de le dire tant qu'on n'utilise pas les moyens aériens là, on ne gagnera pas cette guerre là. Les petits euh, combattants en rayon là qui sont sur les motos là, ils vont nous gagner. C'est votre avis, il faut renforcer les moyens aériens. Les, moyens aériens, parce que c'est ça qui permet mhm. de faire une contre-attaque et d'intercepter l'ennemi avant qu'il ne puisse fuir et de le neutraliser. Mhm. Le plus vite possible. Le plus vite possible. Mais si vous prenez des véhicules pour des gens qui sont en moto, qui peuvent rentrer dans un rapin mhm. sportif, vous allez où avec eux Donc, et même l'arrivée des renforts, les renforts doivent être aériens. Si débit L'armée de l'armée nationale tchadienne, arrive à repousser les colonnes rebelles. C'est grâce aux hélicoptères de combat dont elle dispose, mhm. qui, volent et qui bombardent. La rébellion elle-même, elle le dit. Mhm. elle, est constamment bombardée. La guerre moderne, c'est comme ça. Mhm. Ce n'est pas les 4 4 on met du carburant, non, non, on parle avec. Non, Merci, il faut renforcer donc euh, les moyens, notamment aériens, pour renforcer ce combat contre le terrorisme. Où sont les hélicoptères Nissa, un mot rapidement, quelle analyse par rapport à cette situation Comment faire pour renforcer euh, cette sécurisation des personnes euh, et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national et à réussir à combattre ce terrorisme qui menace pas seulement notre pays, mais disons tout l'espace sahélien et régional Moi, je suis avec ce que vient de dire Gary. Mhm. Il faut des avions. Ce mhm. C'est pas compliqué, il faut des avions. Et ce qui me désole, quand les Blancs sont arrivés, on dit c'est pour nous aider à surveiller nos, frontières et tout et tout, l'espace. Ils sont là, avec les avions qu'ils ont. Nous-mêmes, nous en avons. Ça sert à quoi C'est des zones où on dit les motos sont interdites. Ça fait plus d'une année, toutes ces zones-là. Comment des gens peuvent venir en plein jour 200 combattants, 200, motos. À bord de plusieurs motos. Ils vont karma de manière frontale s'en prendre à une position militaire. Et ils font des heures de combat. Et on dit qu'à la fin du combat, ils ont pu récupérer leurs morts. Ils ont pu se replier, ils ont détruit. Après avoir fait ces dégâts-là, on se pose bien des questions. On se pose bien des questions. Hein. Finalement, qu'est-ce que les gens veulent c'est quoi Toutes ces dispositions, le fait de dire état d'urgence, ça a servi à quoi Ça sert à quoi Si on ne peut pas continuer, parce que moi je peux comprendre, je dis jamais en matière de guerre asymétrique qu'on peut continuer les attaques. Mmh. Mais ce n'est pas en soi le problème. Le, problème, ce n'est pas laisser l'ennemi venir frapper et fuir. tranquillement, en plein jour en plus. Faire des dégâts et fuir. Moi je dis, quelque part, il y a Anguille sous roche. Mm. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends vraiment pas. Nous avons des hélicos de combat. je me rappelle quand les deux blancos, les deux enfants, les blancs là ont été enlevés à Toulouse, là. Mm-hmm. C'est des avions qui ont décollé de. Des avions français, des hélicos français qui ont décollé de, de, de, de Tchad, mm qui les ont interceptés. Si nous avons des avions qui décollent ici, quand les gens, au moment où ils sont en train d'opérer, les avions peuvent arriver mm. en 25, 40, 30 minutes, les avions sont là, sur place. Et puis on les bombarde depuis, c'est voilà, c'est tout. Vous pensez que si on passe par ce mécanisme, mais vous l'avez dit, on va renforcer, on va amener, ils vont toujours venir attaquer. Parce que finalement, aujourd'hui, ça, devient même une espèce de. Ils, nous défient. Non, ils, n'ont mhm. plus peur en fait. Ils non, ils savent, non, ils savent qu'aucun avion ne décollera. voilà le problème. Ils savent qu'aucun hélicoptère ne viendra. Ça veut savent que les terroristes sont en sécurité. vous savent, je vous jure, Michel, les terroristes savent qu'aucun hélicoptère de l'armée nigérienne ne viendra les bombarder. Maïmoun Gado, un mot, comment faire pour vaincre ce terrorisme sur l'ensemble du territoire national Puisque c'est une question de survie quand on voit des populations qui sont endeuillées, qui sont et tout un peuple. Je suis d'accord sur ce que les deux confrères ont dit. Mhm. Que vraiment, c'est plus la guerre classique. Il faut dépasser cette situation de guerre classique. On a des hélicoptères il faut mettre les moyens au niveau donc, euh, aérien, mhm. comme ils l'ont dit. Pourquoi pas Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait l'organisation d'un forum pour que les Nigériens se disent la vérité. une grande rencontre qui va rencontre sur les questions de sécurité. Qui va parler de la, euh, de la question de sécurité. Mhm. Qui va concerner, parce que ça concerne tous les Nigériens. Il faut que les gens se disent la vérité. Mhm. Il faut qu'on sache, parce qu'on ne peut plus accepter à ce que des pauvres citoyens se font massacrer tous les jours, mhm. tous les jours, oh, leur village. Mhm. Au même moment, l'attaque du, du, CATS, au même mhm. moment où la position. L'attaque de, euh, euh, de, euh, de Tosa. D'un tout ça. tout ça. Mhm. Au même moment où une position militaire se faisait attaquer, c'est au même moment qu'un village se faisait aussi attaquer. Mhm. si, si, en ce moment-là, il y avait des hélicos qui ont décollé, mais c'est fini. Voilà, moi je me dis que vraiment, il faut, de la même manière où le président a réfléchi à faire un forum, un mini-forum avec les acteurs de l'éducation, il faut également songer à faire, pareil. pour la sécurité. Seulement l'armée, c'est la grande muette, il faut le préciser, c'est juste des avis, peut-être les spécialistes sont là pour mieux comprendre, <laughs> justement. Parce que les Nigériens veulent uh-huh. comprendre aujourd'hui cette situation. Parce que l'État aussi a ses moyens de réplique, ses tactiques, que parfois on n'explique pas pour des raisons Nous sommes malheureusement au terme de ce forum, on n'a plus de temps. En 5 secondes, cette question-là, elle est extrêmement importante. Mm. Mais la, collaboration même entre Barkhane et nos forces. Barkhane, quand même, c'est des images satellites pratiquement en 24 heures, mm-hmm. tout le temps. Donc on peut voir les trucs. Qu'est-ce qui se passe Le mercredi, le président de la République a reçu le patron de Barkhane. Le président de la République a certainement dû lui dire que euh, euh, euh, comment est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette collaboration-là, pour qu'il y ait plus d'efficacité. Parce que effectivement, ça commence à bien faire. On a l'impression que facilement, ils viennent les terroristes et facilement, ils repartent. Mhm. Alors qu'on a des drones. Des... Il y a donc des interrogations. Bien sûr, il faut revoir ça. il y a lieu de revoir certaines choses. Merci, on vous a bien compris. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalongo de ce vendredi 7 mai 2021. Nous disons merci à nos invités. C'était Maïmoun Gado, journaliste indépendante, Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Hussein Issa, journaliste indépendant également. Merci aussi à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 46 radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 minutes, samedi, le forum en Hausa et dimanche à la même heure, le forum en Zangma. La modération de ce forum, c'était Michel Deji à la technique pour le son, Seini et à la réalisation vidéo, Mustafa Yuba. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.